Salut les amis de eSport TV, merci encore le gars de la confiance renouvelée, merci de louer des likes, merci de louer des abonnés, merci également du bail, des commentaires, un plaisir renouvelé gars, chaque fois des partages et des informations, inbox sénégalais, fait pour le maintenir 14 régions du Sénégal, à nouveau le Cup, nous l'avons déjà dit, nous sommes également à l'hôpital de sécurité du Fébrile, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes ci kasso yi ngeen aussi erreur judiciaire gi ñeen ñu deful mo leen fa yóbbu suñu borom génn de fa delluwaat leen seen njaboot ñi delluwaat duna suñu borom xale la naa jële fi daw si gars yi te yéexee on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en compte et Actualité, mais le classico remporté par le FC Barcelone. qui Ramdan donc Okili, Franck Kessier, Tay m'ont crucifié. Nidiwa, Real 2, Madrid, 2 buts à 1 match bo xamné Real dugulone na ci dellu ci kanam mais d'abord gars yi li nga xam nak moy donc ki di euh, euh, Wesley Fofana Wesley Fofana nag gannaaw bi blessé gars yi nañ toog lu mat ak fukki fan ta muy reprendre wara jouer westley jouer Wesley Fofana donc gars yi aujourd'hui donc c'est un plutôt c'est une perte pour waa euh, Chelsea mais aussi pour ni nga xam donc wa équipe de France ki nga xam également Mason Mount papam nee même bu fekkee né actuellement Dego amagul nous dinañ waxtanat pour la dernière fois à Gua Chelsea pour faire la situation bi soit nous jaay boy bi comme Chelsea par na pour def ko nous ñu daal donc prolonger Reims n'est plus invincible parce que nous di Marseille les Marseillais le type Paris personnel. Marseille m'a gagné Reims n'a 19 matchs gars 19 matchs invaincus à Marseille Nous leen fekk qu'il tey 2 buts à 1 avec un excellent Alexis Sanchez bien entendu Alexis Sanchez bi nga xam ne gars yi moom hein, il a ébloui le match également Azedine Ounaï mi nga a def une passe lumineuse également sur le but d'Alexis euh, Sanchez ñi a xam Marseille mais également Hugo Tudor Nek aujourd'hui également sa huitième victoire d'affilée donc à l'extérieur bu muy la une victoire d'affilée la dernière fois c'était la saison 2017 Paris Saint-Germain Momoko Kodadi, ko def Marseille Il deuxième au classement Paris Saint-Germain mi donc lu tolloog euh, gis quoi hein, donc Parli rovenoko, donc l'otolok 8.1. points ah juróom-ñaari poñ Paris Saint-Germain rawee donc Marseille mi à la deuxième place Lens que troisième King and également donc di Reims Nyom Funeri, mu donc mais également un excellent match un match stratosphérique de King donc Dion Lopi. Dion Lopi mi nga à ne convoqué pour li donc l'idée double confrontation Sénégal Mozambique il a fait un match énorme Dion Lopi. titulaire encore une fois gis leen 13 duels remportés 4 dribbles réussis 91% de passes 13 récupérations 3 fautes subi kii mooy John Lopy ega ega ega ega ega ega ega il est exceptionnel John Lopy voilà tax jox leen ay statistiques hein, par rapport à ce joueur mais c'est le futur mais également qui nga xam Almani donc aujourd'hui hein, le principal homme fort du Barça gannaaw la moom mon na diggante ñii di war Real de Madrid également wa donc Barça waxtaan am na ñaari président yi déggoon nañ ah hein, réglé nañ seen problème loolu la dal wax tay ba Matteo Almani ci donc li nga xam moo avant classico bi le classico de tous les duels ah hein, tay waxon nañ leen ko ki di Araujo waxoon ne ne match bi buñ ko gagné dañuy jël li nga xamné nak moy donc championnat bi mais également gaay ñi ñiy tiiti masqué una finale la puisque une finale. Hmm? masque a finale et donc aujourd'hui le duel aussi Araujo Vinicius Junior Vinicius Junior a remporté l'un des duels face à Araujo parce que dafa Dougal Bu boo xam ne l'a contré contre son camp mais également wekki bi mu wekki Araujo bi jarna na ay millions aujourd'hui le match gai ko doon seetaan doo mer xanaa défaite bi wa Real ñoy mer tay wala wa Barça contane mais ëllëg noonu lay démé mais li gëna neex moy Vinicius ba dougalé dugalee dafa ñëwaat ci Araujo diko ko diko mbalak ni parce que il a été fair play parce que Araujo teyu ko ba Vinicius doon centré dans et et ça arrive comme ça donc le Barça qui a été mené le Barça qui est revenu et le Barça gagne grâce à un joueur africain grâce au capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire grâce à l'ancien homme fort du Milan AC Franck Kessié a permis au Barça de battre le grand Real de Madrid. Donc le Barça gagne qui s'envole vers le titre donc de la Liga de buts à 1 grâce à, grâce à qui Franck Kessié qui a donc crucifié le Real de Madrid Madrid qui est la leen malheureusement pour les supporters du Real de Madrid qui Courtois il a été courtois on peut battre le Barça en Coupe du Roi On gagner Barça en Coupe du Roi donc actuellement le Real ñoo xam gagner Coupe du Roi fi mais attention attention parce que Barça aussi il dollars lañ des nañ mais donc aujourd'hui le Barça l'a remporté contre bien entendu équipe B donc du Real de Madrid deux buts à un but également donc de contre son camp euh, Sergio Roberto Daddy Dougal, dugal ak également Moi, qui dit Franck Kessier. Pendant ce temps également, la Juve a remporté le derby contre l'Inter de Milan, la Juventus de Turin. moment gagné donc Inter, un but à zéro. En Serie A également, il y avait ce derby que tout le monde attendait. Mais gars, comme on le dit, toujours un plaisir de vous servir. Wayland like, likes, Wayland de abonnés. On avance ensemble dans la magie de e gars. Partagez-les, aimez-les et surtout, surtout, gars abonnez-les pour agrandir la famille. On avance ensemble, gars Ja, gain Dieu et au plaisir.